fan yele bi may delu jollof dama gis suñu borom nim ñu bu et souci bima ma rek comment faire pour préserver euh, gàncax et malheureusement depuis quelques jours je commence commencé dégg ay feux de brousse je pense qu'il faudrait prendre toutes les dispositions pour anticiper de concert avec les ministères concernés pour que nous travaillions à sauvegarder ce taki-là parce que buñ dématé ba ca kanam daf ñuy rattraper dem ba ay saako ngogn di jar ay ay ay ay ñaari junneeg yooyu dafa metti ci éleveur yi donc il faudrait que ñu conscientiser leen ñu xamné lolu loolu c'est de l'or mom mo leen di permettre ñu nekk à l'aise et autres leneen li ma bëgg a waxee monsieur le ministre c'est par rapport au centre de recherche géotechnique de Dara xam nga ko fa lañ fa lañ yaroo fa lañ daa foowee et foofu moo téewoon Jolof mu nekkoon vraiment un véritable Eldorado mais léegi dafa nekk ci état bu doy waar et sentir nañ ne am na ay lobby yu ko ñu ci bëgg a teg loxo et comme on dit foofu culture fourragère bi on a des milliers d'hectares yoo xam ne mun nañ fa bay mën nañ fa def élevage intensif bu am solo diversifier fa euh, cheptel bu baax a baax a baax permettre aussi rejoindre ce thème que mu doon muy offrir de l'emploi à tous ces jeunes là ensuite y, y construire des abattoirs modernes parce qu'il n'est plus question que ñun ñu sommes defar Nous, mu nous ñu yëkkati ko indi Dakar nous sommes en de di ci au même moment chômage bi di ñu laaj donc je vous invite à prendre toutes les dispositions tu es une personne indiquée vraiment pour régler cette question là parce que si nous faisons doon nañ euh, ñu wax géographie nous dans la Californie des États-Unis Jolof mun donne la Californie du du Sénégal par légumes yum fa indi ci fruits ak alimentation et c'est un rêve que nous avions toujours eu ensemble et je peux compter je pense pouvoir compter sur vous pour réaliser quoi